le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Merci d'être à l'écoute euh, de ce forum. Il est 18h16 au micro Hamad Mouni, pour vous présenter le forum de ce jour. Le forum de ce mardi 15 novembre est spécialement consacré aux travaux de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 à la COP22 qui se tient à Marrakech du 7 au 18 novembre. Des décisions de fond sur la mise en œuvre de l'accord historique de Paris sur le climat sont attendues. Pour l'Afrique, la question de l'adaptation reste la première priorité. Le dossier le plus épineux, c'est sans doute des négociations sur le climat et le principal cheval de bataille des pays africains, c'est la finance climat. Autrement dit, l'argent consacré par les pays les plus développés à financer la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Les pays du Nord ont promis de mettre sur la table 100 milliards de dollars par an à compter de 2020. Le fameux fonds vert, mais les pays africains veulent des garanties sur la façon dont sera utilisé cet argent. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Marrakech pour cette conférence des Nations Unies sur le climat. Sont également attendus le secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire d'État américain sortant, John Kerry. Le président de la République, Issou Amadou, est déjà là-bas depuis hier pour représenter le Niger. Votre studio, le studio Kalangu, est aussi présent à Marrakech à travers son envoyé spécial Alassane Kouzi Mamadou, que vous avez quotidiennement entendu depuis l'ouverture de cette grande rencontre. Pour vous faire vivre les grands instants de cette rencontre, nous allons justement à Marrakech pour retrouver, en tout cas si les conditions le permettent, Alassane qui va animer un spécial consacré à la COP22. Mais en attendant, il faut dire que le Niger a présenté ce matin son side event ou événement parallèle sous le thème donc à Marrakech, hein, sur le thème Le Niger se mobilise pour la résilience de ses populations. C'était en présence des partenaires financiers tels que le Fonds Climat, la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement. Un film documentaire de 15 minutes a été présenté à l'assistance. Nazoum Yahya, enseignant-chercheur et expert changement climatique du programme stratégique pour la résilience climatique, nous en dit plus sur ce film documentaire. Il répond aux questions de notre envoyé spécial, Alassane Kouzimamadou. Ces genres d'événements sont faits surtout pour que les pays puissent euh, parler de leur expérience. Et lorsqu'on parle de la résilience climatique au Niger, euh, nous avons une grande expérience parce que nous, c'est avant même qu'on ait commencé à parler des changements climatiques que nous faisons face à la diversité de la désertification. Et donc, depuis les années 50, nous, avons accumulé énormément d'expérience, et notamment dans la, la gestion durable des terres, mais également dans d'autres aspects importants tels que l'irrigation, d'autres aspects importants aussi, euh, notamment dans la fixation des dunes. Ce sont toutes ces expériences-là que nous avons souhaité, euh, que le Niger a, voulu euh, partager avec les autres. Mais partager, pas seulement pour partager, mais partager aussi pour mobiliser des ressources financières qui vont nous permettre de renforcer ces actions-là, mais surtout de les faire sur des échelles beaucoup plus importantes qu'il n'a été le cas jusqu'à présent. Alors le Niger demande 87% des de financements qui sont normalement pour le financement de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous êtes, euh, après cette, cette exposition, après ces documentaires, est-ce que vous êtes confiant que vous avez touché la bonne cible alors, c'est vrai que le Niger, dans le cadre de, sa contribution déterminée nationale, euh, souhaite euh, en tout cas mobiliser jusqu'à à peu près 9 milliards n'est-ce pas, de dollars US. Et sur ces 9 milliards, nous avons réparti euh, entre ces 9 milliards entre l'adaptation, c'est-à-dire la mise à l'échelle des actions de gestion durable des terres, mais également l'atténuation. Et pour nous, l'atténuation, c'est surtout le secteur de l'énergie pour que chaque Nigérien puisse, en tout cas lorsqu'il appuie sur le contact, avoir l'électricité, soit pour ses activités quotidiennes, soit pour son foyer. Alors le Niger, sur ces 9 milliards, le Niger peut à lui seul, malgré le défi de la sécurité, mobiliser jusqu'à 13%, avec l'appui de la coopération et de l'aide publique au développement des pays amis. Mais les 87% de ces 9 milliards-là, nous souhaiterons les mobiliser à travers les nouveaux fonds, les fonds climat qui sont mis en place dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce que nous avons fait montre de l'expérience que nous avons. Et nos partenaires ont Apprécier ce que nous avons fait. Et ils ont appelé les autres partenaires à nous soutenir. Maintenant, la balle encore reste dans notre camp. À nous d'être efficaces, comme l'a dit un de nos partenaires, il faut que nous soyons stratégiques, que nous n'ayons pas en ordre dispersé, mais avec des programmes, des programmes ambitieux qui euh, pouvaient, qui peuvent en tout cas euh, rassembler plusieurs activités pour un impact encore plus important que ce que nous avons enregistré jusqu'à présent. Nous sommes confiants. Voilà, vous venez de suivre euh, Najum Najoum Hayaya. Il est enseignant, chercheur, expert changement climatique. Euh, notre envoi spécial à Marrakech, je veux parler sur la COP 22, vient de la, donc ce matin quand ils ont présenté le side event ou bien l'événement parallèle par rapport au COP 22. Euh, à la COP 22 du moins, le Niger se mobilise pour la résilience de ses populations, sur le thème et vous avez suivi ces explications. Alors, avant Marrakech, il faut retenir qu'à la COP22, la conférence des Nations Unies sur le climat, euh, qui est entrée dans le vif du sujet en discussion, sur le programme d'action de chaque pays membre de la CEDAO ou du SILS qui est en jeu. Les engagements des pays ont été revus à la hausse avant la COP22 à Marrakech et ces engagements sont contrôlés par un groupe d'experts de l'ONU, ce qui est aperçu, ou du moins perçu, par certains membres des délégations africaines comme une forme de contrainte. Reportage de notre envoi spécial à la COP22 sur ce, euh, la mise en œuvre de la CPDN. À la COP 21, les États avaient fait une évaluation de leurs émission de gaz à effet de serre. Ils avaient identifié les domaines prioritaires en matière de pollution et proposé des solutions à travers des projets concrets. Avec ces contributions, chaque pays a constitué son propre programme d'action intitulé Contribution prévue déterminée nationale, CPDN. Ces documents devaient permettre au groupe d'experts onisiens intergouvernemental pour les changements climatiques, le JIC, de contrôler l'avancée des engagements de chaque nation. Et voilà, le JIC a trouvé que les propositions n'étaient pas suffisantes pour atteindre l'objectif Selon eux, ces e, contributions allaient mener à une hausse de température globale de 4 degrés Celsius contre les 2 degrés Celsius fixés. Des efforts ont donc été demandés à l'issue du sommet de Paris. Aboubakar Diabaté, directeur de l'Agence de l'environnement et du développement durable du Mali. Ce que chaque pays voulait faire comme effort pour réduire ne nous amenait pas, effectivement, n'était pas suffisant pour stabiliser quand même l'évolution de la température à 2 degrés ou 1,5 degrés Celsius. Donc il a été demandé à chaque pays de revoir sa copie pour être un peu plus ambitieux. Donc c'est ce qui a été fait. Et ce que vous aviez déposé maintenant, on l'a appelé sa CDN, contribution déterminée au niveau national. C'est-à-dire, voilà l'effort que nous avons envie de faire dans les cinq prochaines années pour réduire. Et là maintenant, ça s'impose à vous. À partir du moment où le pays a déposé auprès donc euh, des Nations Unies sa contribution, le pays est tenu quand même de respecter. À partir de ce moment, le défi qui reste à relever, c'est celui de pouvoir intégrer ces CPDN dans les plans nationaux de développement. Le CILS, le comité permanent inter-État pour la lutte contre la sécheresse au Sahel, œuvre à appuyer les pays membres dans l'atteinte de cet objectif. Dr Edwige Yarobotoni, membre du secrétariat exécutif du CILS au Burkina Faso. On a un travail à faire avec les pays en termes de, les appuyer à intégrer donc ces CDN dans le processus de planification, de sorte à capter non seulement les financements internes, mais également les financements financement euh, euh, à travers les différents fonds climat qui sont disponibles. Donc c'est vraiment l'accompagnement au pays pour opérationnaliser à travers l'intégration donc euh, des CDN dans les processus de planification, dans les documents de planification. La question du financement de ces contributions déterminées des pays reste une des préoccupations à laquelle la CDAO tente de répondre. Raoul Kwame, coordinateur de projet Changement climatique au niveau de la commission de la CDAO. L'année dernière, nous avons engagé un processus pour l'élaboration. Cette année, on a mis un processus en place avec euh, le Fonds vert climat pour aider les pays à mobiliser les ressources pour pouvoir mettre en œuvre les CPDN, si vous voulez. La COP22, appelée COP de l'action, est l'occasion pour les pays de déterminer le mécanisme de financement des projets d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des gaz à effet de serre. Alassane Kouzi Mamadou de Marrakech pour le studio Kalangou. Il faut dire que, en réponse aux demandes répétées des pays en voie de développement auprès des pays industrialisés pour tenir les engagements de financement des projets d'atténuation et d'adaptation, le Fonds vert climat appelle les délégations à proposer des projets pertinents. Qu'est-ce que c'est que le fond vert Reportage à Alassane Mamadou. Décidé en 2009 à Copenhague, le mécanisme du Fonds vert destiné au financement de l'adaptation face au changement climatique représentait un geste fort de la part des pays industrialisés à accepter la responsabilité de la pollution des gaz à effet de serre. Le Fonds vert symbolise ainsi le principe de pollueur-payeur et la première notion de justice climatique en introduisant une notion de réparation et de compensation financière envers les pays les moins pollueurs. Estimé un besoin de 100 milliards de dollars par an, le Fonds ne mobilise aujourd'hui que 10% de ses engagements soit 10 milliards. Michel Smithal, chargé de communication du Fonds vert climat, explique que paradoxalement, le fonds ne parvient pas à dépenser cette somme faute de projets pertinents et de garanties d'une mise en œuvre efficace. Les pays en voie de développement ne fournissent pas encore à ce stade les projets ou les programmes qui euh, pourraient être financés par le Fonds vert le Conseil du Fonds vert euh, a suggéré que pour 2016, on devrait décaisser 2,5 milliards, donc déjà un quart des 10 milliards qui ont été euh, alloués. De ces 2,5 milliards, uniquement 1 milliard a été investi pour l'instant. Nous sommes déjà à la fin de l'année, donc il, est assez difficile de, créer des projets euh, qui, ont une ampleur importante pour, pour décaisser de l'argent rapidement. Notre souci maintenant, c'est de démontrer aux bailleurs de fonds que les 10 milliards qui ont déjà été euh, mis à la disposition du fonds soient très bien investis dans très peu de temps. C'est pour cela que nous appelons au pays euh, en voie de développement d'agir rapidement, de mobiliser euh, les ministères, les ONG les, les euh, agents du secteur privé pour identifier des projets qui sont effectivement euh, valables pour ce fonds. Les pays en développement font de leur mieux, rétorque Birama Diara, négociateur malien qui trouve par ailleurs compliqué le mécanisme financier. Nous faisons déjà des efforts dans nos pays. Je prends l'exemple du cas du Mali. Euh, le Mali, dans le budget national, finance un programme de pluie provoqué qui coûte le milliard et qui donne des résultats. Ça, c'est un effort au niveau national. Mais ayant des ressources insuffisantes, tous les pays en développement ont besoin d'un appui financier. Et donc, il faut un mécanisme de financement assez ardu que les pays développés puissent mettre davantage de cachets pour qu'il y ait plus de ressources. Une nouvelle tranche de collecte de fonds commencera en 2018 pour atteindre les objectifs de 100 milliards de dollars par an pour 2020. Déjà, les experts estiment que le coût de l'adaptation dépasse largement les 100 milliards de dollars par an. Le chiffre de 200 milliards circule dans les assemblées. Alassane Kouzima Amadou depuis Marrakech pour le studio Kalangou. Merci Alassane. Nous restons donc euh, avec euh, la COP22 qui est notre spéciale. Et là, nous allons, nous revenons à Niamey dans ce studio pour rejoindre un de nos confrères. Il s'agit de Illa Kane qui connaît très bien les questions d'environnement. De, bonsoir Illa. bonsoir. Alors, vous suivez les négociations sur la COP22 euh, à Marrakech. Ça fait déjà une semaine. Qu'est-ce que, en, résumé, on peut retenir de cette première semaine de négociation La conclusion que je fais en tant qu'observateur euh, qui suit les travaux de cette conférence de loin, c'est qu'on est pratiquement dans l'accord de Paris euh, de 2015. Vous savez bien que l'année dernière, à la COP 21, un accord a été signé un accord qu'on peut considérer d'historique puisqu'il vient après le protocole de Kyoto qui a été signé en 1992. Donc je pense que la conférence de Marrakech est restée, à mon avis, dans le cadre de cet accord. Et je n'ai pas entendu un seul pays parmi les grandes nations émettrices de gaz à effet de serre qui ont ratifié cet accord, qui ait pris une position qu'on puisse qualifier peut-être de remise en cause des engagements plus dans le cadre de cet accord. Donc, euh, d'un point de vue général, je pense que ce n'est vraiment qu'une formalité au niveau du Maroc. La seule crainte qu'on avait, c'était les menaces proférées par le nouveau président américain de retirer son pays de cet accord, mais je pense que les discussions sont en cours et je ne pense pas qu'on puisse arriver à cette euh, situation. Donc, euh, de façon générale, moi, je pense que la COP22 n'est qu'une formalité et nous pensons qu'avec l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, le monde peut espérer en tout cas des changements dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques euh, à laquelle euh, on se livre depuis de longues années, puisque lorsque le protocole de Kyoto était arrivé à terme, il y avait la crainte qu'on n'aboutisse pas rapidement à un nouvel accord. Ça a été possible à Paris en 2015 dernier, donc je pense que euh, Marrakech va peut-être de façon plus concrète et concrétiser, excusez-moi, la tautologie, les différents engagements que les pays ont pris, notamment par rapport aux grandes nations, c'est de continuer les financements en direction des pays pauvres et surtout de limiter leur émission de gaz à effet de serre à la limite de 2 degrés qui a été proposée par les scientifiques. Merci beaucoup Ina pour ces précisions. Nous allons à Marrakech euh, pour retrouver notre euh, envoyé spécial qui participe à ce spécial consacré à la COP22. Je vous propose de suivre euh, ce que Alassane Kouzi nous a préparé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du forum du studio Kalangou que vous suivez depuis Marrakech où se tient la COP22, la conférence sur le changement climatique. Au menu du forum de ce soir, il sera question de la participation du Niger à cette COP bilan enjeux opportunités. Pour débattre de toutes ces questions, nous recevons sur notre plateau trois invités. Il s'agit euh, de Sani Ayuba, coordinateur de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Madame Tudjani Saratou, euh, conseillère spéciale à la présidence de la République, qui intervient notamment sur les questions de genre, et Issa Garba, de coordinateur exécutif de la plateforme de la société civile sur les changements climatiques et moins durables. Mesdames et messieurs, bonsoir euh, et merci euh, d'être euh, venus. Merci à vous aussi, Cousin, de cette invitation et bien de cette opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions parler des enjeux qui sont liés notamment à la participation du Niger à la COP22. Nous le savons, la COP22 ou la COP de l'action se poursuit activement et nous sommes déjà dans la deuxième semaine euh, des négociations. Après l'entrée en vigueur euh, de l'accord de Paris, il s'agit pour les pays partis de, trouver ensemble un accord sur les moyens de la mise en œuvre de cet accord pour l'adaptation aux effets du changement climatique gaz à effet de serre et en détail. Mais avant, je voulais juste qu'on rappelle les grands enjeux que pose le changement climatique euh, pour un pays comme le Niger. Issa Garba. Euh, merci beaucoup, Kouzi, de cette euh, belle question que tu nous poses. Je la trouve très, très, très pertinente. Au Niger, aujourd'hui, vous savez, nous sommes un pays au cœur du Sahel le fait que nous sommes au cœur du Sahel fait en sorte que nous subissons de plein fouet le changement climatique. Nous ne sommes pas un pays côtier où il y a une montée de la mer, mais plutôt nous avons une euh, avancée de la, de la désertification qui est en train de gagner du terrain. Et aujourd'hui, le Niger est à deux tiers désertique. Et quand vous, quand vous, le constatez, vous venez du Niger aussi, vous constatez que nous avons une mauvaise répartition de pluie dans le temps et dans l'espace. Cela est tout simplement dû au phénomène des changements climatiques. Vous constatez aussi l'ensablement du fleuve Niger qui n'est rien d'autre aussi que l'avancée du désert, la désertification qui fait en sorte qu'aujourd'hui le fleuve même, qui est vraiment la plus grande source d'eau potentiel pour le Niger est en train de vouloir disparaître et que eh, souvent à la période de l'étiage, vous voyez, c'est des dunes de sable même qui sortent au cœur du, du, fleuve Niger. Il y a beaucoup de facteurs. Les paysans aujourd'hui, sont confrontés à ce phénomène de changement climatique parce qu'il y a des perturbations, il y a des, euh, de, de, euh, perturbations, de, mutations climatiques qui sont euh, qui, suivent actuellement. Parce qu'il n'y a pas que le changement climatique, il faut en tenir compte aussi de la variabilité climatique qui est un phénomène naturel. Madame Saratou, Madame Saratou, quel exemple concret pouvez-vous donner des conséquences que subissent les femmes nigériennes par rapport au changement climatique euh, merci de m'avoir donné la parole. Les effets directs sur les femmes, c'est que pour euh, le bois de chauffe, ces femmes, avant arrivaient juste derrière leur maison à trouver du bois. Aujourd'hui, elles doivent marcher des kilomètres pour aller à la recherche du bois. Ce temps de marche, ce temps d'effort, et ça joue sur leur santé, ça joue sur euh, la santé des enfants qu'elle porte si jamais une femme est enceinte et qu'elle doit faire de longues distances pour aller chercher du bois, ça joue aussi sur sa santé. En dehors de ça, euh, ces femmes économiquement, celles particulièrement qui sont au bord du fleuve, euh, les activités génératrices de revenus qu'elles font au niveau de la pêche, aujourd'hui, cette activité est menacée il y a moins de captures de poissons au niveau du fleuve pour euh, euh, euh, la question d'ensablement et, de l'envahissement des plantes aquatiques qui empêchent l'eau de couler et de laisser les poissons se développer. Et ces femmes ont une activité génératrice de revenus. Elles, prennent le poisson et c'est à partir de ces poissons qu'elles ont un revenu. Donc là, ça affecte leur commerce, ça affecte leur activité. Et autre chose, euh, je peux dire que euh, le changement climatique euh, a un effet sur les jeunes filles qui aident leur maman et qui, du, du fait du temps qu'elles passent dans la recherche du bois avec leurs parents ou sur le commerce avec leurs parents, elles n'arrivent pas à aller correctement à l'école ou elles abandonnent par moment, parfois, euh, l'école pour euh, la corvée du bois ou pour la corvée d'eau. Et, ça, ça affecte leur scolarité et peut-être parfois même elles n'y vont pas. Elles n'y vont pas parce que tout simplement, si je prends la, zone de transhumance, euh, euh, pour la recherche de, de, comment on appelle ça, du pâturage, euh, des familles se déplacent et elles se déplacent avec leurs enfants. Et, là, ça a un, impact sur leur scolarité, ça a un impact sur la stabilité des foyers. Nous voyons bien que les conséquences du changement climatique sont énormes. Nous allons passer à Sani Ayuba qui est coordinateur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. À votre niveau, quel argument concret pouvez-vous donner aux jeunes, à tous ceux qui ne croient pas au changement climatique euh, Je pense que. Qu'ils puissent réaliser qu'il y a. Euh, mes prédécesseurs ont déjà dit, euh, en tout cas, une bonne partie. Mais j'ajouterai juste le fait qu'aujourd'hui, nous constatons de plus en plus euh, le phénomène des réfugiés climatiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont obligés d'abandonner leur zone, leur village, leur province ou en tout cas leur localité du fait qu'il y a eu une mauvaise pluviométrie, du fait qu'il y a eu des inondations, du fait qu'il y a eu de la sécheresse. Donc c'est des phénomènes nouveaux que nous ne connaissons pas avant, mais qui sont en train d'apparaître, qui se fait en sorte qu'aujourd'hui, statistiquement, partout dans le monde, le nombre de personnes qui se déplacent du fait du changement climatique énorme. Et aujourd'hui au Niger, moi j'étais dans les années 2005, euh, lorsqu'il y a eu la crise alimentaire, j'étais dans la région de Tilaberi, Vertera. Il y a eu des villages où des gens ont carrément abandonné les champs puisqu'il n'y avait rien à manger, il n'y a pas d'eau, les criquets pèlerins ont envahi. Aujourd'hui, du fait que les températures ne cessent de s'élever, nous avons de, la prolifération des maladies euh, climato-sensibles. Lesquelles, par exemple euh, il y a la fièvre jaune, la méningite. Aujourd'hui, euh, avant c'était la méningite, c'est quand tu voyages, mais maintenant on est obligé à des moments. Il y avait eu des années où aussi tellement qu'il faisait très chaud, c'était la canicule, beaucoup de personnes, surtout âgées, n'arrivaient même pas à supporter. Ça a même accentué les taux de décès à un certain moment. Donc c'est des phénomènes nouveaux que nous ne connaissons pas parce que les changements climatiques, c'est vrai, on ne peut pas l'observer en une période courte. C'est des évaluations qui font en sorte que dans les 10 ans, on peut dire les 10 ans passés ou bien ces 10 dernières années où vraiment intervalle de temps donné, mais qui est en train que dans les pays sahéliens nous vivons au quotidien. Et les jeunes et les femmes constituent les plus vulnérables. Du fait déjà que les jeunes et les femmes au Niger ou euh, au Sahel sont les plus pauvres, sont les plus exposés, on n'avait pas, on n'a pas assez de capacités pour faire face à certains phénomènes extrêmes liés au climat. Donc, et c'est au quotidien les femmes vivent La question de l'eau, il y a des zones où il n'y a plus d'eau, il y a des zones où il y avait de l'eau maintenant. Beaucoup de cours d'eau sont en train d'être épuisés et c'est énorme. C'est énorme. Et justement, vous avez abordé la question de l'eau. Madame Tujani Saratou, la question de l'eau. Oui. Euh, les femmes sont le plus souvent euh, celles qui doivent aller faire la corvée de l'eau. La euh, corvée de, l'eau. loin. Oui. la corvée de l'eau. je reviendrai plutôt à l'insécurité qui a un impact sur euh, la population qui reçoit des immigrés, qui cette population elle-même a un besoin à nous, elle-même a un besoin à nourriture et elle-même a un besoin à toute, toute forme euh, euh, de, de, de, de je ne peux pas les quantifier, mais je sais qu'aujourd'hui, euh, nous faisons face à l'insécurité dans notre pays, il y a des zones où le problème d'eau est tellement crucial parce que tout simplement, le besoin a augmenté à l'arrivée des réfugiés dans les zones. Et la population vivant déjà dans la zone est confrontée à un problème de sécheresse et aujourd'hui, cette même population reçoit d'autres personnes qui ont des besoins et peut-être la, la, taille des besoins a tellement grandi dans la zone que eh, les, autorités se battent, les, partenaires se battent pour que la question de l'eau soit. Donc, je peux dire que euh, euh, euh, le sujet eau est un sujet d'actualité euh, chez nous et particulièrement dans les zones d'insécurité. Est-ce que vous, est que vous pensez que des actions concrètes sont en train d'être menées pour solutionner ces problèmes Des actions sont en train d'être menées, mais je ne dirais pas que c'est suffisant parce que le besoin est énorme. C'est pas suffisant. Le besoin est dense, mais les autorités font de leur mieux pour euh, euh, absorber le problème, les, partenaires accompagnent pour absorber le problème, mais les solutions ne sont pas encore... Euh, il reste à faire. Il reste à faire. Et, et, je peux dire que nous sommes un pays sahélien, un pays où l'énergie solaire peut aider dans la résolution des problèmes on peut faire le lien entre l'énergie et le changement climatique. Aujourd'hui, la coupe de bois de chauffe si on, nous produisons du, gaz, si on fait la promotion du gaz butane au niveau des femmes, ça diminuerait les, tonnes, de bois utilisées dans la cuisine et ça diminuerait aussi l'absorption de, la fumée euh, qui, qui, joue sur la santé, de la femme et des enfants. La question que j'ai envie de vous poser, nous savons que le Niger a, élaboré un CDPN, la contribution déterminée euh, nationale. Est-ce que vous pensez que ce document euh, prend en compte tous ces aspects, l'aspect genre, la femme Est-ce que la femme elle est prise en compte dans ce, dans ce document Est-ce que les préoccupations de, la femme en termes de changement climatique, conséquences Oui, avant, avant d'aller à la CPDN, euh, à la COP 21, quand il y a eu la signature, la question du genre a été euh, un peu, n'a pas été très effleurée. Et c'est pour cela, à cette COP 22, nous faisons l'offensive pour que la question de la femme soit d'actualité, la justice climatique. Il faut que la femme trouve son espace, la femme trouve sa place, parce que c'est elle qui subit les conséquences et les effets du changement climatique. Alors, à elle, on doit l'impliquer davantage dans les décisions, dans les projets, programmes, dans toute action pour que elle apporte sa contribution parce que la solution, c'est à elle et à la famille que ça. Euh, euh, euh, eh est-ce que vous pensez qu'au Niger, réellement, c'est, elle est encouragée Est-ce que vous pensez que des actions concrètes sont menées pour, faire, pour intégrer la femme, pour impliquer la femme dans la recherche, aussi bien dans la, détection que dans la solution Je peux dire que au Niger, nous avons des textes et ces textes prennent en compte la question de la femme. Sont-ils respectés Les textes sont respectés, je peux le dire. Je peux dire que euh, les actions sont en train d'être menées, mais ce n'est pas suffisant. Mais je peux vous affirmer qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour que la femme trouve sa place. Aujourd'hui, nous avons des femmes à l'hémicycle, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes. Alors... Mais la loi sur le quota n'a pas été respectée au niveau de l'Assemblée ni au niveau du gouvernement. Et, cela n'a pas empêché aux femmes de lutter pour que cela soit un changement. Et le combat continue. Et les femmes continuent à se battre pour celles qui doivent être au niveau décisionnel que pour celles qui sont au milieu rural monsieur Issa Garba, est-ce que vous pensez que la femme, elle est suffisamment impliquée dans la recherche des solutions face euh, au changement climatique oui, je peux le dire parce que euh, en tant que euh, rapporteur aussi du comité technique en charge de la supervision de l'élaboration de la contribution prévue déterminée au niveau national, au niveau du Niger, qui est aujourd'hui la contribution d'ailleurs déterminée du Niger CDN, parce qu'à partir de la mise euh, en, vigueur de l'accord de Paris, ça devient une contribution au niveau national. Ça devient la contribution, ce n'est même plus prévu, mais c'est la contribution du Niger. Et la question du genre, en intégrant la dimension femme, euh, dans, cette contribution a été effectivement prise en compte parce que les questions d'adaptation, les questions d'accès liées à l'eau concernent euh, naturellement la femme. Les, questions de récupération des terres c'est aussi concerne aussi la femme. Vraiment tout ce qui a été pris en compte l'accès l'accès l'accès à la terre, l'accès à la terre, la femme la femme la femme a accès à la terre mais seulement les gens eh, parlent. Il n'y a pas une femme qui a voulu acheter un terrain qu'on lui a refusé. Donc moi je ne sais pas pourquoi cette question de l'accès à la terre revient toujours. Nous avons il y a des femmes qui ont plus de terres que des hommes. Moi je n'ai même pas de terre moi, je n'ai même pas une parcelle de terre, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont des terres, mais l'accès à la, à la femme, à, la terre, moi, je pense que cette question ne doit même pas être un débat euh, au Niger. Nous n'avons pas ce problème-là. Moi, je pense que c'est juste quelques mouvements féministes qui pensent qu'ils euh, peuvent avoir de financement dans ce domaine-là qui s'agitent autour de cette question. Monsieur Sani Ayoubar, coordinateur jeune volontaire pour l'environnement. Pour l'environnement, vous êtes d'accord qu'on fait assez, euh, la femme est assez impliquée euh, dans la recherche des solutions. En fait, euh, oui, je pense que <laughs> ça disait la preuve, on a qui est avec nous. Je pense que cette question est prise en compte dans beaucoup d'activités, beaucoup de programmes. Et aujourd'hui, il est indéniable partout, que ce soit au niveau international, au niveau national, local la prise en compte de la dimension genre, elle est importante, elle est même obligatoire. Donc je pense que partout dans les PDC, partout dans les stratégies communes, on fait en sorte que cette dimension soit prise en compte. Parce que même une exigence des partenaires financiers. Aujourd'hui, si un projet ne prend pas en compte cette dimension genre, elle ne peut pas avoir de financement, même au niveau des collectivités. Mais, est-ce que vous ne pensez pas que souvent les gens intègrent juste euh, quelques, quelques expressions, quelques passages pour pouvoir non, non, non. au financement. Non, non, non, parce que regarde, euh, cette année, nous sommes en train de mener une campagne de plaidoyer et de mobilisation de tous les acteurs sur la question du changement climatique. Et quand on faisait les tours dans les campagnes, les communes euh, pilotes de ce programme, nous avons rencontré en majorité des femmes qui sont non seulement des victimes, mais qui sont également des actrices pour la transformation qui participe quotidiennement au développement de leur localité, que ce soit du point de vue de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau des cultures de compte saison, au niveau même de la question des infrastructures résilientes. Les femmes contribuent effectivement et sont intégrées. Donc il y a aujourd'hui, euh, je pense que la dynamique est en train de prouver que la femme ne, doit plus se laisser dire que non, non, elle est victime, elle doit rester dans l'assistanat. Aujourd'hui, quand vous parcourez, en tout cas nous on était à Tondikiwindi, à Kokaina, à Dogonkiria, à Libore, euh, à Sokorbe, dans le département de Loga, nous avons rencontré plus de femmes actives que d'hommes d'ailleurs qui font des efforts. Donc à toutes nos forats qu'on organise, c'est ces femmes qui viennent témoigner pour soit supporter ce que les hommes disent ou bien soit dire également qu'en tant que femme aussi, voilà de la manière dont elles contribuent également sur ces questions. Je pense que c'est un combat que nous sommes en train de mener et qui est en train d'être gagné par les femmes sur cette question des changements climatiques. Alors, oui. vous voulez ajouter quelque chose euh, Oui, moi, moi, je, moi, je dirais, moi, je dirais que aujourd'hui, il y a une prise de conscience les femmes ont une prise de conscience, les femmes savent que elles doivent amener leurs filles à l'école pour qu'elles ne soient pas comme elles avant. Parce que la donne a changé. Les femmes se battent, les femmes font des efforts. Et ces femmes-là, elles ont juste besoin qu'on les soutienne. Elles ont juste besoin d'avoir euh, euh, euh, un courage en elles-mêmes, d'avoir de la... elles ont besoin qu'on reconnaisse qu'on reconnaisse ce qu'elles font et elles ont besoin juste d'être accompagnées. Donc ensemble, je dirais aux femmes, si nous nous levons, nous pouvons changer. Et c'est nous, les femmes, qui pourrons changer. Et avant, on dit, derrière tout homme qui réussit, c'est une femme. Non, aujourd'hui, on ne veut pas ce terme-là. On veut dire, côte à côte, femmes et hommes, nous avançons ensemble. Alors, une, dernière chose avant que je crois que vous voulez nous, laisser. Euh, une dernière chose, nous savons qu'actuellement les, débats, les négociations sont en cours pour chercher les mécanismes de financement de, la contribution déterminée du Niger. Quelles sont les attentes, quelles sont vos attentes vis à -vis de cette COP qui est appelée d'ailleurs COP de l'action en termes d'intégration de la femme ce que nous attendons de cette COP, c'est que les décideurs qui ont pris des engagements libèrent des fonds pour que des actions soient réalisées sur le terrain pour que les femmes s'épanouissent dans nos pays. Madame Toradjan Saratou, nous vous remercions. Je signale que vous avez une activité urgente auquel vous devez participer. Merci d'être avec nous. Au revoir. Et nous restons avec euh, nos deux invités, Sani, euh, Sani Ayuba et Issa Garba. les trois grands enjeux de discussion de la COP22 portent sur la, consolidation des mesures techniques, juridiques et opérationnelles de la ROCOR, l'urgence de la mise en œuvre des projets d'adaptation et l'assurance du financement des différents programmes de chaque pays qui ont présenté d'ailleurs leur euh, contribution prévue déterminée. Alors, ce matin, le Niger a présenté un side event ou événement parallèle. Dans, ce, dans, dans un documentaire de 15 minutes, le Niger a présenté notamment ses actions qu'il mène, qu'il mène donc sur le terrain. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez euh, de eh, <coughs> eh, merci. Effectivement, le Niger a présenté ce matin eh, au cours d'un événement parallèle euh, appelé communément ici Side Event euh, la présentation de la mise en œuvre du programme pilote euh, pour la résilience climatique, qui est un programme qui est de la Banque mondiale qui est mise en œuvre au Niger. Mais ça, c'est l'aspect qui concerne la résilience communautaire en ce qui concerne le changement climatique, le PAC-RC. C'est le programme d'appui à la résilience communautaire. Effectivement, ce que nous retenons, bon, en fait, il faut retenir que vraiment des efforts sont en train d'être faits avec le soutien des partenaires techniques et financiers pour que vraiment nos communautés à la base, parce que c'est la mise en œuvre se passe à la base, pour que les communautés à la base puissent faire face euh, au changement climatique, pour, euh, pour que cette communauté puisse être vraiment dans des conditions de résilience euh, face au phénomène de changement climatique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment il est important que vraiment euh, cette, cette, cette, action ou bien ces actions-là puissent être perpétuées dans toutes les localités, dans les 260 communes du Niger. Il est important aussi que vraiment euh, euh, les jeunes puissent participer valablement et véritablement à la mise en œuvre de ces programmes-là. Et nous souhaitons à ce que vraiment d'autres programmes puissent être initiés dans le domaine, surtout dans le domaine des énergies, des énergies renouvelables, parce que euh, ça nous permettra d'aller vers l'atténuation et la concrétisation de notre contribution prévue déterminée. Est-ce que vous pensez qu'il y a des domaines euh, qui méritent une, attention particulière qui n'ont pas jusque-là euh, Oui, et je pense que c'est vraiment la question, de, tout à l'heure je parlais autour de la question de l'énergie. C'est sur ça véritablement qu'on doit être, on doit avoir un focus par rapport à cette thématique-là. Parce qu'il est important que nous la développons, parce que nous avons toutes les sources de potentialité énergétique. Nous avons l'énergie solaire. Le Niger est le seul pays, tellement nous avons le soleil, que le seul pays où le soleil, vous pouvez aller le trouver à Zénith à 13 heures. Et c'est le seul pays, tellement que nous avons le soleil et que Dieu nous a donné naturellement, que le seul pays où vous pouvez euh, véritablement regarder quand il y a l'éclipse solaire. Et le Niger, nous avons. L'énergie solaire. Je propose, il n'y a pas que l'énergie solaire, il faut faire la combinaison de toutes les sources d'énergie. Nous avons l'énergie solaire, nous avons le vent qui souffle au Niger plus que tous les autres pays, parce que c'est un pays, c'est un pays sahélien, nous avons, c'est l'énergie éolienne. Nous avons aussi euh, le projet du barrage de Kandaji qui doit nous permettre de produire plus de 130 mégawatts, qui est aussi vraiment une source d'énergie renouvelable. Et nous avons, nous pouvons aussi développer l'énergie géothermique, parce que vous savez, le Niger, il fait 45 degrés à l'homme, et 45 degrés à l'homme, ça sous-entend que la Terre elle est chaude. Donc ce qui veut dire que nous pouvons produire de l'énergie à travers la température de la Terre qu'on appelle l'énergie géothermique. Nous avons, nous avons aussi des sources d'énergie. Nous avons l'uranium qui est aujourd'hui euh, exploité au Niger, produit au Niger. Nous avons aussi des, euh, vraiment des sites de charbon bien que nous n'encourageons pas la, production du charbon qui est vraiment des sources des énergies euh, polluantes et fossiles, mais quand même il est important que nous ne pouvons pas, euh, euh, nous ne pouvons pas arrêter notre développement tel que, euh, tel que défini par le protocole de Kyoto. Donc nous pouvons utiliser tous les mécanismes de développement, l'essentiel que ce soit un développement propre et sobre en carbone. Merci. Nous allons passer à Sani Ayouba. Monsieur Sani Ayouba, le Niger a présenté donc un documentaire ce matin qui retrace les conséquences que subissent le, le pays, subit le pays, notamment dans le domaine du changement climatique, à savoir les événements extrêmes tels que les inondations euh, les sécheresses répétitives et a présenté aussi quelques initiatives pour, euh, faire face à ces changements climatiques. Et le Niger, euh, dans sa contribution, ne peut mobiliser que 13% des 9 milliards nécessaires pour l'adaptation face au changement climatique. N'est-ce pas problématique oui, c'est problématique, d'où l'intérêt euh, de, l'organisation d'un tel événement, parce que en même temps, c'est la présentation des bonnes leçons, des leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme au Niger, mais également c'est pour permettre de lever des fonds, pour permettre de mobiliser des partenaires potentiels pour soutenir le Niger dans ses efforts, parce que il y a déjà du recul, il y a déjà de l'expérience. Euh, depuis 2008, lorsque ce programme a été initié, à ce jour, ils ont euh, ils ont plusieurs leçons apprises, ils ont plusieurs résultats à l'air actif. Donc, d'où la nécessité de présenter ces bonnes pratiques, d'où la nécessité de demander également à ce que des partenaires puissent venir soutenir le Niger. Quand vous avez suivi euh, l'événement, euh, euh, la plupart des panélistes, tels que Mafalda Duarte, qui est la manager du, Fonds d'investissement climatique de la Banque mondiale, euh, le représentant de la BAD, le représentant de certaines institutions internationales, ils ont tous souligné l'intérêt ou bien l'urgence de soutenir le Niger dans ses efforts de renforcement de la résilience communautaire de ses populations face au choc climatique. Parce que euh, également, euh, moi, ça me suscite aussi l'intérêt que les gens comprennent que dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il faut une synergie d'action. Il faut une approche multidisciplinaire et multi vous l'aurez compris dans le film documentaire, euh, il y a des institutions de recherche, les universitaires, les chercheurs, la société civile, le secteur privé, les communautés, que ce soit les communautés vulnérables, les communautés bénéficiaires des actions, euh, tout le monde a eu à dire son mot, a eu à faire des témoignages. Donc c'est ce genre d'approche qu'il faut faire dans le cadre même de la mise en œuvre de tout programme qui peut renforcer la résilience climatique. Et également pour la mobilisation des fonds. Parce que c'est vrai, eh, quand on voit notre CPDM, nous, euh, dans le cadre de ces de négociations, nous avons le droit au développement aussi. Et, en termes de contribution, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander des fonds pour qu'on puisse nous aider à faire face au choc climatique, à mieux nous adapter. Ah. Voilà, 18h58 minutes, euh, ici prend fin ce spécial consacré à la COP 22. Vous nous avez suivis ici à Niamey et surtout à Marrakech avec notre envoyé spécial Alassane Kouzimamodou, euh, qui, couvre pour nous cette grande rencontre sur le sommet climatique. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour autre, une autre thématique. Bonne soirée.